votre émission hebdomadaire des jeunes. Au micro, Rabia Meikano. À la Fada, aujourd'hui, nous parlons de la migration. Selon les données globales sur la migration au Niger, 207 177 migrants nigériens de retour après un séjour à l'étranger ont été enregistrés et 122 983 qui bougent vers l'extérieur. À cause de sa position géographique, le Niger est un pays de transit pour les migrants de kasashe comme Congo en Burkina ko ko d'Ivoire matasa et hitowa da dama su ta Niger ko in ce su Agras dans tahi wani Libye ko ache ce a tahi wani Algérie daga Canada, da an Trop de préjugés mais autour de cette question notamment par rapport à la migration régulière. Mais pourquoi ces jeunes sont-ils prêts à affronter la mort pour une supposée vie euh, meilleure en Europe Faut-il vraiment quitter son pays pour réussir Pour en parler avec nous, nous avons Monsieur Madame Madani Moussa, il est consultant BAO au projet Migrants en route. Awana fara Hadiza BAO au projet Migrants en route. Ça va Hadiza? Ça va. Nous avons également monsieur Gevanis Do. Vous allez bien? Bonsoir, merci, ça va bien, merci. Merci euh, d'accueillir la FADA aujourd'hui chez vous. Vous êtes chargé des relations avec les médias. Dans la FADA, on aura également de la musique et enfin la chronique d'Olivier. Selon les chiffres de l'INS, Institut national de la statistique, ils étaient 123 886 hommes et femmes à transiter par le Niger en 2012. a to cela s'ajoute matasa na Niger da dama wanda su ma suke kama wannan hanya ta tahiya bakin hauran ou encore quitter son pays natal ils sont nombreux aussi à quitter leur pays natal jihar ka hita daga wani Togo ko wani Benin dan ka ce ka zo Niger neman kuɗi ko ka zo ka ce kasuwanci ko ka hita ma daga Niger ka je wani Togo ka je wani Cote d'Ivoire shi ma a ce neman kuɗi ko neman kasuwanci duka wannan migration kin ce yanzu muna tare da wannan matasan na ONG Migrant en route yanzu zan tambaye ku waɗannan matasan da suke tattaro wani arzikin su da arzikin uwayen nasu don a gangama a ce a tafi turai kuma wannan arzikin ma ana ma iya unhani da shi don a yi wani abu ka gina wani abu ko ka bude wani kanti ko ka bude wani business kin ka da irin wannan kana iya yi amma ga an kwasa an tahi an ce za a tafi turai an tahiya ba amma sun irin tahiya bace mai sai madani a ganin ku yaya aka wannan matasan suke daukan wannan dimbin kuɗi a ce za a tafi turai dole an tafi turai da su to na gode da wannan tambaya mhm. eh, abin da ya kamata mu gane ne shi wanga abun in aka kalla duka wanga bulaguro na bakin haure bulaguron da suke da niyya zuwa kasashen turai ya aka diba za a ga na harko mahiyawa kamar mutum yana cikin rayuwa kamar ta talauci haka ko kuma mata shi ne ya yi karatu ya kare yana da takardar shi to wata ran bai samu aiki ba kuma yana nan bai da wani aikin yi to in ya zamanta yana da 'yan uwa waɗanda ke can turai suna mm. turo mai hotuna yana gani suna sa kaya masu kyau suna cikin gari mai daɗi suna jin daɗi ana cikin wani eh. restoran, <laughs> wani makdo wani waye waye to to kin gani to wannan yana sa abun nan ya rika shiga cikin hankalin su kwarai sai su ce to ai ni ma in dan uwana yana cin yana can dan me yasa ni ma ba zan je ba hmm. to kin ga wannan wanga ne na harko abin da ke iya tura su wataran kuma mai yiwa ne saboda wanda zai bar garin shi ya nemi ya ta yi wata ƙasa wataran yana iya yiwa akwai matsala cikin garin kamar muka ɗoka matsala ta tashin hankali mm. wataran ita ma wannan tana iya sa ka bar garinka da gudu ka je ka eh, je zuwa wani gari yo ai kuma a cikin wannan matasan yanzu in dawo gare ki Hadiza Gumar a cikin wannan matasan hadda plan da jeune fille da bisa tsoro za ki ga wai budurwa ce ita za ta tafiya Belgique ko za ta tafiya wani Africa du Sud ke yanzu a ganin ki na diya mace ya ci ga wannan situation ki na gode da wannan tambaya mhm. to kamar dai yanda abokin aikin nawa ya haɗi yawanci dai masu wannan tahiyan da kike gani mm. talauci ne ke sa su suna barin garinsu kuma da dogon guri saboda kin san wasu dogon guri gare su yanzu kina ganin abokanki wanda suka samu suka tahi cankin suka samu ci gaba ko kuma in ce kamar yadda ya faɗi suna aiko da hotuna tunda wani bi ba haka nan bane ba <laughs> wurin kwana ma sai maka wuya kuma a ɓoye kake rayuwa to su wannan duka ba su ganin shi abin da suke gani shine kamar wannan hotunan da za a wannan kyallin da ake gwado musu suna gani mm. shine yake shan su su ce to bari su ma su tahi zuwa neman wannan To, a cikin wannan structure qui n'a accueilli accueillir Moi, mon Muna de Giovanni Do. Giovanni, avec ton accent là, j'en déduis que tu n'es pas nigérien. Giovanni, tu es de quelle nationalité Je suis togolais. Togolais Oui. Passe, tu peux nous raconter un peu comment ça, les jeunes togolais, eux, comment ils, réagissent, comment ils réfléchissent face à ça Je crois que là, vous les accompagnez aussi, vous les rencontrez, non euh, Oui, justement, en fait, nous, nous sommes ici au Niger par rapport à ce, euh, à ce projet. Mhm. C'est pour euh, approcher, discuter avec les migrants de toutes les nationalités. Ce ne sont pas seulement les Nigériens. Dans la plupart des cas, c'est d'ailleurs même des Africains venant de l'Afrique subsaharienne. Mhm. Libéria, Sierra Leone, Somalie, Bénin Bon, au Togo, par exemple, concernant la migration, les jeunes aiment migrer, mais légalement. Hmm, cette aventure, si vous suivez bien les chiffres, c'est rare, vous allez trouver, on dit même un Togolais. Donc, euh, de là d'où je viens, c'est beaucoup plus euh, le fait dans les normes et partir. Ok, partir dans les normes yanzu zan tana muku dukkan wanda wa'annan wannan shirin namu na fara yake ba su sha'awa suna iya samun shirye-shirye mu kuma su aiko mana tambayoyinsu a bisa kan lambar mu ta WhatsApp 806854 8006 88 54 On va faire un petit tour en musique. On écoute euh, Yamasikoy Eineizo de Dankowa. Yamasikoy Eineizo Kaburdu Gai Yamasikoy Eineizo Kurmi Kuidu a Baba. Afrique, remettons la pendule à l'heure. Il est temps de prendre conscience, de tourner dos aux illusions qui sont la tour de nos souffrances. Eldorado espagnol pour nous, les portes d'azur c'est faux. Combien de nos frères sont revenus les poches trouées Combien de nos frères de l'océan ils ont péri Combien de nos frères ont été milliers aux îles Canaries fermer derrière les barreaux, ils sont jamais revenus. N'y va pas, là-bas c'est pas le bienvenu. Ouvrons les yeux, tournons-nous vers ce bonheur que Dieu nous a donné des terres fertiles et bien garnies. Les activités génératrices de revenus, là, చెల్లు కోన ఎమ్మాయి పోయి sungo gamu dunga na fene labura bone labura Abini ma benu benu yamu yamu lutunga zeki labu wani se bani bani dumi salma tani di atige te tige te wakanga te minno te ko ni no deze ale kusa di jodi yeni boba bani jega ni ko go tun ko se fondara min woni ne kwara ne kan dai kaina pays repose au sein de sa jeunesse. Elle doit pas la quitter, quelles que soient les circonstances. La bravoure, le savoir et l'innovation, c'est à cette observation une véritable solution qui travaillent en Afrique, il y en a plein. Des mets en Afrique, il y en a plein. En Afrique, il y en a de pas gagner son pain. Satisfaire tes besoins je ne plus avoir faim. Courage, faire d'ici, et pour toi bien. laisse toi bas toi et ne baisse jamais les bras. Immigré, émigré, ouais, nous serons pas. Jeune Afrique, arrête pas, et n'y va pas. Je ne point pas la taille que tu vaincras. Sois le meilleur, pas que tu sois, faut que tu crois. Et ton gagne-pain, c'est le travail que tu feras. Un, Solo está mal que te

ko ko su matasa ne ils veulent oser ko ils veulent pas forcément rester ici entreprendre ka a ganin ka daga ina ne matsalar take to tushen wannan matsalar daga ina ne matsalar nan in aka duba aka gani wata ran kamar daga matasan take saboda wanda ya riga ya sa cikin kanshi sai ya tai turai mm. dan ga ganin shi can kadai zai samu rayuwa mai daɗi kin ga wannan ba zai tsaya ya kwantar da hankalin shi ya diba wasu kama opportunity da ke akwai ba mm-hmm. yanzu zaki ga wanda zai kama hanya ga ya yi za ki ga kuɗin da zai sa ya kai miliyon ɗaya miliyon biyu yanzu da kuɗin nan nan akwai abubuwa da yawa da mutum ke iya yi ko da mutum ya ce ya yi karatu yana da diplom ai ba dole sai ya je ya yi aiki cikin biro ba yana iya entrepreneur ya yi kama ya yi kafa wani abu nashi na kanshi mm. ya diba wani fanni haka inda yake iya sa kuɗin shi don ya juya su abu ne wanda zai sa ya samu ya samu sana'a mai kyau hmm. kin ga wannan sannan kuma akwai formation kala-kala ma da ke akwai watan wanda matasan nan ba su tsaya su kwantar da hankalin su nemi formation kin hmm. wannan duka mu muna nan dan mu bada wannan labaru hmm, Dan ku ba su wannan labarin mhm. to yanzu kan mu ci gaba da wannan hirar tamu mhm. zan mu shurari en eh, vox pop da habibu garba kolegi na ya realize ya je ya gamu da matasa sun gaya mishi ra'ayinsu su kan wannan tahiyar Tant que la personne célèbre euh, avec son projet, on ne peut pas le soutenir au Niger. Donc, euh, je pense que ces contraintes-là, c'est ça qui pousse euh, les gens pour aller chercher la vie meilleure ailleurs. Bon, on ne peut pas dire directement que n'est pas bon parce que tout le monde a sa raison de quitter. Il y a d'autres qui quittent pour aller étudier, revenir, contribuer ici. Il y a aussi d'autres qui quittent. et un moyen pour s'en sortir parce qu'en voyant ici les conditions, c'est mieux de quitter pour partir ailleurs pour chercher. Parce que quelqu'un qui a une famille ici, voyant les situations du marché comme au grand marché, on a déplacé les gens. Pourtant, quelqu'un qui a une boutique, on a déplacé la boutique. Il est obligé de sortir pour aller chercher et viennent nourrir sa famille. C'est le cas de mon frère aussi qui a quitté le pays. Il est parti à Qatar pour chercher et nourrir sa ah, femme. concernant l'immigration au Niger aujourd'hui, moi je pense que c'est que ici au Niger euh, aujourd'hui constate euh, les conditions sont nuisibles, la vie est très chère au Niger, il n'y a pas suffisamment d'emplois, c'est ça qui pousse les jeunes à franchir euh, les frontières les risques pour partir en Europe là. kin ji wannan matasan abinda suka ce kama a ce opportunity ne babu anan ƙasa suka ce shi yasa wasu matasa suke tafiya ko eh to gaskiya ni ban yarda da haka nan ba mm. ban yarda da wannan ba me yasa ba a cewa opportunity ne a babu mm. sai dai a ce kila ba su san da opportunity kin ba akwai opportunity sai dai rashin sani kuma gaskiya yawancin lokaci ni sai dai in ce san rai ne ko ba gaskiya ba san rai ne tunda gaskiya kamar yadda ya waɗi sai ki gani mutane sun kashe wajen makudan kuɗi saboda miliyon wannan miliyon kin wai in kai lansan wannan abin ka to ai shine kin gani ko hekalum kasu ba to an ce babu opportunity yau mutane nawa suka fara daga karamar sana'a kuma suka samu ci gaba suna da yawa da yawa sai a ce miki wani ya fara da karamar teburkin shi zuwa gaba ya koma kanti mm. to ku tebur da 'yan kuɗi kaɗan ake fara ta kenan ku kin ga wannan kuɗin da zaka ɗauka ka sa cikin tahiyan nan kana iya ɗora yar kinka da su ba ka rasa na abinci ba kuma da yawa in cikin su yawanci in kika duba sai ce miki a ai taimako ne bisu samu ba yau idan an taimaka musu an ba su kaza da kaza za su iya zama to wannan kaza kin da za su faɗa miki wani bi sai ki gani da <laughs> question d'opportunité qui n'existe pas ou qui a pas assez ou qui a pas assez de soutien t'en penses quoi toi en partie on va pas dire que tous ces avis sont faux non les gars ou bien les jeunes ont donné leur ressentiment. Maintenant, c'est aux décideurs d'en tirer aussi les leçons. Mais ici, ce que nous avons constaté et qui a fait que nous avons mis en place d'ailleurs ce projet, c'est que nous avons constaté un grand vide au niveau de l'information auprès des jeunes. Les jeunes sont sous-informés par rapport à toutes les opportunités qui s'offrent à eux sur le continent, dans leur pays. Généralement, nous avons tous grandi avec ces préjugés comme quoi depuis tout petit, ah là-bas c'est mieux, l'Europe c'est mieux, le rêve américain. Tu arrives là-bas, tu deviens star en même temps. tu deviens comme milliardaire en même temps. Comme s'il y avait des arbres, <laughs> on peut cueillir de l'argent. Alors que c'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Donc, c'est cette sous-information que nous nous essayons de casser en apportant, sensibilisant les populations sur le terrain. Comme vous le voyez, nos agents sont sur le terrain tout le temps pour discuter avec les migrants de plusieurs nationalités pour connaître les raisons profondes et aussi leur apporter ces informations comme quoi il y a d'autres opportunités qui s'ouvrent. Euh, nous avons reçu tout dernièrement ici, durant une séance de partage avec les migrants, mhm. euh, le 5 octobre dernier, euh, des migrants. Parmi eux, on a trouvé un Béninois qui a une licence. Qui a une ah licence, oui, et qui a un projet dans le, dans le domaine de l'élevage. Mais par manque de soutien, il a décidé de migrer. Et mhm. une fois en Algérie, il a été arrêté même dans des conditions cocasses parce que c'était durant des rafles. En ce moment, il y avait deux, de, de Guinéens qui ont dû sauter du dixième étage. Ils sont morts sur le coup. Donc c'est dans ces conditions qu'il a été refoulé, il se retrouve au Niger. Et durant notre séance, il a appris qu'il y a des, par exemple des centres, des centres incubateurs dans leur pays, à, Cotonou là-bas, qui peuvent les aider, vraiment, qui peut l'aider à lancer son projet. Maintenant, il rentre volontairement avec la ferme conviction qu'il peut maintenant implémenter son produit oh, chez lui à Cotonou. gamu da su kake iya gaya mu eh, eh misali akwai mm. gaskiya shine kamar wataran matsalar daga gare su take zaka ce ba za ka iya wani aiki a nan kasan mu ba kuma ka bar garin ga ka tahi can dan ka yi irin shi <laughs> dan kai kuma wannan dan kai aiki lo kin gani <laughs> wataran aikin bai ma kai haka nan ba aiki ne na kaskanci koi wataran ina kallon tele na ga presidentin ghana mm. yana diskur yana kiran matasa na afirka ya ce wanda zai ke da ƙoƙarin ya ratsa sahara ya ratsa eh, teku ya ratsa saboda zuwa eh, turai <laughs> wannan ƙoƙarin nan ba abin da ya gagare shi muna gamuwa da mahiya dewa masu manya-manyan diplom da ke gani ni na gamu ma da wanda yana da enjinora yana can nigeria ya kara karatun shi ya samu diplom kin shi na enjinora ya wara e eh, gyara motoci wuta na motoci yana dan samun kuɗin shi mm. sai kawai abokan shi da ke can turai suke tura mai hotuna suna a kai da kai karatun nan ka wuce wannan ka zo kawai ka isko shikenan wanga abuwa duka zaka samu shikenan ya bi magana su ya kama hanya ya ta aljeri yanzu mahi yawa yan eh, uwanmu bakin haure da ke zuwa aljeri suna <clears throat> aljeri ba wai wuce ba ne suke gaba daya mahiyawa sai su ɗauki shekara guda shekara biyu suna, aiki, ba kuma can ki je ki diba ki ga aikin da suke cikin inda ake kamar gine-gine aiki ne na wahala don su samu su samu kuɗi shine suke tattara su biya sauran kuɗi na tahiya can mm, yana can yana cikin aikin nan ne aka kamo shi aka maido shi saboda matsalolin nan da ya gamu da su da wahala da ya sha ya ce shi yanzu zai koma a garin shi kuma wannan aikin da yake a da shi zai koma ya yi amma yana fatan ya tsaya yanzu ya kwantar da hankalin shi don ya aikin nan da kyau sannan kuma 'yan uwan shi duka da in ya gani da suke da niyyar wannan bulaguran gaskiya zai yi kokari ya ja hankalin ya jawo hankalin su zai eh, zai kwatanta musu duk abin da illolin wannan eh. bulaguran to nous rappelons aux fans de tous à la fada qui nous suivent grâce à nos 41 radios partenaires qu'ils peuvent également avoir tous nos contenus en envoyant jeune au 80 06 88 à 54. Un autre tour en musique et on se reprend juste après le chemin de l'exil de Yellen. Sai beyama Sai Sai Sai Sai ruo Sai le Donang kumanga les chaînes de l'exil te tiennent, il faut partir. Ici c'est sec qu'il faut s'en aller pour s'enrichir. Faut pas qu'on puisse dire, voilà c'est le fils sans avenir. Ça va venir ce matin, où tu fais ta valise. Tu vois qu'on te balise et tes parents te verbalisent. Tous ceux qui t'aiment te disent qu'ils te regretteront amèrement. Tu n'y croiras pas, mais tu me diras pas que ta mère te ment. Quand sur ton épaule couleront ses larmes et son serment, c'est fièrement que tu lèveras la tête droite devant toi. Tu marcheras et elle verra tes pas comme des adieux. Au seuil de ta porte, tu croiseras le regard de ton père soucieux. Rouge de haine se disant qu'il est la cause de cette peine. Tu t'en iras avec la basive en main presque vite. Le cœur malade, mais l'esprit habite que Cupid. Tu t'en avec l'espoir de revenir un jour quand tu ne sais pas. Mais tu t'en vas car c'est ton jour. Ok, tu feras ça, tu répondras maman et papa. Sur le sentier, tu entendras les derniers chants des oiseaux. Le doux parfait de cette forêt à laquelle tu tourneras le dos. Tu t'en iras, prendras place dans ces tecs de fer qui t'emmènera loin de ta patrie sur nos terres, loin de nous qui t'aimons et près d'une passion étrangère. Sai, c'est Sai. side, sai, side, side, side, side, side, side, froid là-bas, mais il n'y aura plus personne. Personne parce que là-bas c'est chacun pour soi et Dieu qui donne. Rarement cette joie d'être et d'appartenir à ta race. Il n'y aura plus de place, l'unité que tu as connue chez toi. Tu oublieras tes parents et tu penseras qu'à tes études. Avec cette attitude, tu pourras rappeler ta solitude. Illusion, c'est chaque visage tu verras comme une inscription te rappelant que t'es qu'un gibier parmi les lions. Tu rédigeras des lettres que le facteur n'aura jamais. Tu ramèneras de belles photos et tu diras que tout est parfait. Tu resteras 5-6 ans jusqu'à ce qu'un jour un message t'annonce le mariage de ta sœur cadette. Tu te tiendras la tête entre les deux mains en pensant au clair de lune, aux enfants et aux tambours parlant Mais qui sera là pour te compter l'événement Au fond de ton âme, tu seras marqué profondément. Tu connaîtras l'amour pas celui de Mata, mais celui des dîners, des fleurs, bref de Natalia. Tu voudras plus venir quand ta mère malade va souffrir. Tu vas plus répondre quand le village va t'écrire. Tu diras que tu t'en fous quand ton père va te maudire. Ainsi, c'est comme ça que le facteur te donnera une lettre. Et c'est comme ça que tu jetteras parce qu'on t'embête. Mais si tu savais que ta mère a perdu la vie. Oh.

suka yi accueillir Madani Moussa, qui est conseiller ici, conseiller BAO. Nous sommes avec Hadiza Gumur Hadiza, qui est également conseiller BAO. Kune basu kan terrain ko, kenan jar kune kuke tahiya cikin ƙauyuka. Duka da suke bi dai, kute kuna hira da su kuna jawo hankalin su. Gevanis Do, Gevanis il est journaliste, chargé, journaliste des chargé des relations avec les médias. Aujourd'hui dans la Fada, nous parlons de migration. Koko enche, blagoran, bakin haure. Da wannan matasa suke yi. Azu mun yi zance bisa kan irin toutes les idées qu'ils se font ces jeunes avant de partir nous en venons à la troisième partie troisième et dernière partie de cette émission quand un migrant arrive à rallier finalement Europe ya Canada ko ya États-Unis est-ce que abubuwan da suka kai shi yana samun su abubuwan da suke da suna gaya muku exclusive on one quelque chose quoi hadiza in kin suna hira suna gaya miki excuse sun samu wani wani dan abu ma cikin wannan tahita su ko kawai ne ba sa samu to gaskiya ni mahi yawancin wanda na sha gamuwa da su sai dai su nuna nadamar su yawanci akan wannan tahiya da suke yi hmm. me yasa tunda yanzu in kun ɗauka, ka kashe kuɗi da yawa ka yi wannan tahiya ka je hallo abin da ka samu ba lalle bane duka a biya ka tunda yawancin su aikin da suke yi kaman ba duka bane suke samun albashin nasu mm. to yanzu kuma in muka dauka in muka dauka kamar baya-bayan ga mm. da yawa suna saman kan aiki ne ake ɗauko su don a maido su gida a tullo su gidajensu kuma dukansu ko in ce miki mahi yawansu dai kamar ba a baka dama ka ɗauko wani kaya ma wannan na jikinka kayan ka na jikinka kawai kake zuwa da su da kayan ka na jikinka inda aka kama ka anan ne ake ɗauko ka don a maida ka gida to kin gani shi yasa mafi yawanci da muke gamuwa da su sai dai su nuna nadamar su yawanci kuma an donhare ka a saman hanya tunda mutanen nan da suke suke ba suke hada baki da su dan tahiyal wannan yawanci donhara su suke yi mm. kin gani kenan ko can an donhare ka can kuma abin da ka je nema baka samu ba kuma ɗan kudin naka duka ka kabe ka kama hanya ka kabe ka dawo kuma ga ka za ka gida hannuwanka biyu kin ga ku ai lalle ba je reviens à toi car ces migrants que vous rencontrez sur le terrain ils reviennent avec quelque chose genre quand ils, arrivent là-bas qu'est-ce qu'ils ramènent avec eux beaucoup plus la désolation la tristesse le grincement de dents sont les sentiments les plus partagés malheureusement c'était quand euh, il y a de cela quelques mois, nous avons rencontré un migrant camerounais qui a fait 7 ans. Il a réussi à partir d'ici en 2011. Il est arrivé en Europe. Il a fait 7 ans en Europe. Et malheureusement, beau jour, en France, il a été mhm. déporté. Ah juste comme ça Oui, oui. Il a été déporté euh, au début de cette année au Cameroun. Et il a repris le chemin. Il se retrouve en ce moment au Niger et il veut repartir, repasser par la même voie. Donc vous voyez, euh, ça peut aussi arriver que oui, même en Europe, si tu arrives à passer la barrière de la Méditerranée, que oui, tu te retrouves sans papier là-bas, parce que ce n'est pas comme au sein de la CEDAO, je peux partir du Niger, aller au Togo, en Côte d'Ivoire et autres sans papier. En Europe, c'est régi pas des lois. Donc, il y a aussi, voilà, pour, même pour, tu, es, tu, tu, malade, pour te faire soigner, il faut les papiers. Donc, voilà les, défis auxquels ils sont confrontés aussi de l'autre côté de, la mer. Donc, oh, euh, je te donne un autre exemple. Un migrant qui m'a accordé une interview hier, euh, il a quitté son pays, le Libéria, à 31 ans. Il a à 35 aujourd'hui. Il se retrouve au Niger et il se cherche. Pourtant, il a un bac plus 2 en économie comptabilité. Il parle très bien. S'il parle, s'il s'exprime, tu sais très bien que euh, il a un talent à donner. Giovanni madani ndawo gare ka pour finir euh, avec cette troisième partie kana tsaka aikin ka mhm. kenan kawai an tashi kwaso kawai sai a kwaso ka mhm. da abin da ka tara da wani in ma wani abubuwa wani arziki ka tara a gidanka duka kawai ba an yi wannan kawai sai a dauka a haka ake maka haka ne to abin da ya kamata abin da zan gaya miki shine kin san abin da yasa suna cikin aiki ake kwasa su mm. dama kai ka shiga gari ba da izini ba mm. kenan bakin haure ba da izini suke shiga cikin ta hanyar ratse ce suke bi su shiga kenan wanda bai da takarda ta zama cikin ƙasa dole ne e ikon garin nan durar da suka kama shi kawai shi kenan sai dai a hidda shi daga garin shine ke faruwa kamar yadda ɗaukan muke misali kamar ka dira cikin gidan mutum ne ba da izinin shi ma kin ga daga ya ganka koran maka zai kora da <laughs> kora da hali ko ake ce <laughs> to kin ga koran barawa ma za a maka to wannan ke zuwa ga ke faruwa ga dewa ga bakin hauren nan mm. wasu dewa sun bar abubuwa gidajensu wasu kuɗi kaya sun sai abubuwa wasu har salular su ma duka komi amsha ake komi amsha ake saboda ba su da takardu saboda sun shigo ba da izini ba to mun gode ma wannan matasan na projet migrant en route ko mhm. da wannan tarban da kuma kuma da wannan karin bayanin da kuka bamu kan mu dasa aya a wannan shirin namu na tus alafada on va accueillir Mr Oli qui nous vient ici avec la chronique du samedi bonsoir ça va, Mr. Oli tu vas bien ça va tranquille ce soir super ce soir, vous parlez de la migration. Ouais, un sujet genre triste, quoi. La migration, comme on vient de le dire, c'est très facile d'en parler, c'est souvent ce qu'on dit, mais et si nos gouvernants, et si les décideurs, et si tout le monde se posait cette question, comment vivre en Afrique Je pense que celui qui va écrire un livre pour nous dire comment il faut vivre en Afrique, cette personne sera le best-seller. Ancien migrant devenu aujourd'hui chroniqueur grâce à Dieu, ce soir, je vais vous parler du rôle du journaliste. Parce que aujourd'hui, c'est la sixième édition de la journée de la liberté de la presse. J'ai toujours parlé de vous, j'ai toujours parlé de nous, mais ce soir, c'est encore plus particulier. L'information est l'oxygène des temps modernes. Aujourd'hui, c'est la journée de la liberté de la presse. Dans un État démocratique, la presse, elle est considérée comme euh, le quatrième pouvoir. Et si la presse est super fort. Hein? Yeah, <laughs> tu vois alors. <laughs> et si la presse est considérée comme quatrième pouvoir, alors il y a des attentes au niveau des populations. Ce matin, j'étais allé à Niamey pour aller rencontrer certaines personnes et leur demander, selon eux, c'est quoi le rôle du journaliste. Voici leur réponse. Le rôle du journaliste, euh, donc en dehors euh, d'un informateur, s'il faut l'appeler ainsi, il doit aussi jouer le rôle euh, d'éducateur donc de la société. Euh, un éclaireur, euh, un éducateur en, général. quoi. D'accord. Est-ce que selon vous, les journalistes euh, nigériens font leur travail ou pas Bon, partiellement, ils font leur travail. Il ne faut pas dire qu'ils ne font pas leur travail parce qu'aujourd'hui, ils se limitent ne serait-ce qu'à prendre des informations ailleurs pour véhiculer. Mais en réalité, ils ne fouillent pas pour avoir les vraies informations comme font les autres journalistes et notamment plus précisément les, Occidentaux Le rôle d'un journaliste, euh, c'est d'avoir, d'aller chercher les infos et puis au moins les, les informations sur comment se passent les activités en général et puis au moins avoir les idées des gens, voir comment ils vivent, ils font leur vie, tu vois. Avoir la vie des gens alors. Oui. Donc ce que je suis en train de faire. Ça c'est clair. <laughs> Olivier, j'ai écouté tes intervenants. Oh mon Dieu, si ça savait comment on galère pour ah trouver des ah informations, les gens ils veulent même pas nous parler. En tout cas, dans son œuvre Le malheur des autres, Bernard Kouchner, l'un des fondateurs de l'ONG Médecins sans frontières, affirmait L'information et l'humanitaire sont le remède contre les douleurs extrêmes. Si le rôle du journaliste est d'informer la population, il est contraint de respecter des règles. Et l'une des règles les plus importantes c'est l'impartialité, c'est-à-dire ne pas prendre parti en face d'un sujet. Poser des questions, permettre le dialogue, tel est le rôle de la radio, tel est le rôle des journalistes. Informer, tel est notre rôle, nous, journalistes. L'information, c'est vous, auditeurs, qui la créez. Le journaliste analyse, traite l'information et la diffuse. Selon le rapport Reporters sans frontières 2019, le Niger occupe la 66e place sur 180 pays au classement mondial. Pas mal, Rabi. e Sur 189. On est pas ah mal. quand même, on est pas mal. Hein. Tranquille, on est pas ah mal. Une pensée à tous ces journalistes souvent persécutés dans le monde. On finit cette chronique avec une information pour vous, amis jeunes. Le soir du 7 décembre exactement, ne ratez pas l'inédit concert de ce monsieur qui fait ça. au centre culturel franco-nigérien. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Merci Oli, big à toi et merci pour cet hommage. <laughs> c'est gentil, c'est sympa de penser à nous. Là, nous sommes à la fin de tout ça, la fada. On remercie, on remercie le projet Migrant en route. bakin hauran lokaci in ya jiki ya tsira matasa za su shurara kuma za su san zance mai ake nan gai kuma za su gane abin da ke jiran su kamar a kanda madani ya ce shi kuma firiziran kin gane ya ce in kana da karhin traversant sahara si ta assez force pour affronter la méditerranée les grosses vagues de la méditerranée ta assez force pour entreprendre chez toi merci à vous euh... C'est la fin de tous à la fada. Bye bye à tout le monde. Euh, bye bye. Demain, vous serez avec euh, mon binôme Dondi. Avec Dondi, il sera question des impacts. Parce que il loli wannan tahiyar suke masu yawa ne da dama ne to tare da Dondi za a ga wannan duka. Mun gode sai mun ƙara a wata samedi. Bye bye.